defar ko ñu defar ko lu fi yaaxu ñu defar ko ñu defar ko lu fi yaaxu ñu defar ko defar ko Waduh tey mais Macron mais Macron yaay doome RAME non Macron yooyu anaan tey jii comme naan voile bi day tiital day tiital Fra ndaw yi bi quoi

il n'y a, que le visage et, les, ses mains qui sont autorisés à, à, ne pas être voilés, à ne pas être couverts. Et là, l'enfant, il, comprend. Il n'y a pas de quoi avoir peur. dit, quand ton enfant te pose la question à savoir, quand il voit deux hommes en train de s'embrasser à, la 19e ou la 20e arrondissement de Paris, il te dit, papa, pourquoi ces deux mecs s'embrassent Qu'est-ce que tu vas leur dire Tu vas leur dire que parce que nous, c'est la, la terre de la liberté ou du libertinage ou c'est la terre de l'anarchie. Il te dit, papa, c'est pas normal. D'ailleurs, le couple, c'est entre l'homme et la femme, pourquoi ces deux hommes font ils un couple Est-ce qu'ils vont avoir un enfant Et là, tu vas, hypocrite que tu es, tu vas, tu vas leur dire qu'ils vont adopter un enfant. Et quand ils adoptent un enfant, on va se dire qui est le père, qui est la mère. Toi, tu acceptes l'homosexualité dans ton pays et tu ne peux, pas, peux pas accepter que les gens soient voilés dans votre pays. Et Macron, il y a un khat. Macron, y a une mbam. Hein? Il y a des beaux sigil. Il y a des goût de C'est bir de. Hein? Il y a une femme voilée, beaux sigil. Hein? mais vraiment vous vous, vous n'avez même pas en tout cas yow ma ko doon vrai doome RAM quoi mais tey ji nga caricature d'un koy continuer non non pas série parce que tout ça temps moom ngeen terroriste quoi terroriste yi ñoo leen gën quoi tu vois les gens leen doon arrêté d'accord accord bu la neexee bu leen arrêté caricature caricature yi bu leen neexee bu arrêté mais ku caricature caricaturer le saint prophète tu vois Mohamed hein paix salut sur lui tu vas voir da nga gisaat yeneen Mohamed Atta gisaat ñu gën a dee lay fleur Kouachi gis ñu gën a xoolal ñu gën a feebar benn parce que yéen a tooñ quoi vraiment les français là je vous comprends plus quoi tu vois est-ce que une fois de une, une fois vous avez vu au Sénégal que les gens là ñëw tey di tooñ beneen dîner mais doo ko gis tu vois est-ce que Arabie Saoudite là où y a la Mecque gis nga fa ñu toog ñaar di dañuy toroxal beneen diine doo gis pourquoi les respects que les euh, les musulmans euh, ont envers vous pourquoi vous ne les renvoyez pas le ballon hein la balle plutôt hein lu tax mu leen def loolu noonu ah su fekkee am crise France am crise parce que yow bi nga ñëwee ba léegi Macron da am gaaf bi nga ñëwee ba léegi si corona am ah yow da nga ñëw corona am nga ñëw ak yu bëri am tu vois ay gilets am ah yow nga am gaaf Macron da nga am gaaf yaa ngi te entre guillemets y a des gens dans le doute qui disent que ah, nga de dunq sama gars bu ko déggee yéen ko jottali de dunq laa wax waxuma ko ci tubaab ñam na ne dunq ta femme la couverture kese la hmm, tu tires à blanc tu es par l'autre sexe tu vois donc ma ñu jàmm quoi Macron tu vois ah tu peux contre notre religion mënoo leen ci dara yaa ngi wax wax ba sonn mënu leen ci dara dara dara hein, et vous allez voir vos fils se convertir à l'islam vous allez voir vos petits-fils se convertir à l'islam vous allez voir des, musulmans marier vos filles qui vont se convertir à l'islam et là vous n'y pouvez absolument rien tu vois je ne sais pas comment un être peut vraiment haïr le prophète quoi Mohammed hein je peux pas concevoir qu'une personne puisse haïr, puisse haïr le prophète Jésus-Christ tous les prophètes méritent de respect tu vois

Euh, c'est ça qui leur crée la qui crée la peur chez eux ah, un jeune homme de 30 ans qui marie une femme de 90 ans si cela n'effraie personne il n'y a rien d'autre qui peut effrayer euh, les, gens donc tu, tu, la boucles quoi tu te tais quoi tu vois tu es trop dégueulasse Macron Mon gars il bureau beaucoup de moi, tu vois Macron vraiment il nous tamponise quoi il nous emmerde quoi tu vois c'est de n'importe quoi Nous, hein. ah